On wannan Très ravi de vous retrouver, amis de la FADA. Vous nous suivez de partout au Niger. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le processus électoral débuté en décembre 2020 a été mouvementé. Bayan sakamakon zagaye na na proclamé par la Commission électorale nationale indépendante CENI le mardi 23 février, déclarant Mohamed Bazoum vainqueur avec 55,75% des voix, provoquant une vague de violence à Niamey et dans d'autres villes du pays, notamment à Zender et à Dosso ta de rasuwan mutum Plus de 600 arrestations, y compris certains hommes politiques, a déclaré à la presse Al-Kaché Al-Hada, le ministre de l'Intérieur. À tout cela s'ajoute un enkayeki da dukiya ta mutane da dama. Dole ne mu fada mu dawo bisa kan wannan abun kuncin da ya girgiza kasar mu, musamman ma hannun da matasa suka sa cikin wannan harakal quel a été l'impact de l'implication des jeunes dans ces troubles post-électoraux kubi mu sau da kafa cikin wannan fadar kamar a lokacin sani dama ba muna tahe da music kinmu da rubrikin da dondi yake sarrafa mana kuma da kronikin da olivier zai zo mana da ita Deux morts, des centaines de jeunes manifestants arrêtés, maisons, voitures brûlées, boutiques vandalisées, selon le ministre de l'Intérieur. Kai, Quoi? goma ma muka yi ba mu da internet ku dai bannar da aka yi bayan wannan sakamakon na zaɓe da seni da sanar da yawa ne. Au passage, ces résultats sont provisoires. Ils doivent être validés par la Cour constitutionnelle. in bin matasa da muka gani sun hito suna wannan bige-bigen da kwamtsayya da 'yan sanda shi ya sa muka gayyato wasu shugabannin kungiyoyin nasu na matasa da mu zanta da su. On en parle ce soir avec Isaka Umaru de Kebero. Ils sont dans la citoyenneté, la sensibilisation, l'éducation. Isaka, ça va? Ça va, Rabi Ça zuwa. Yawa. tous à la fada. Merci. Nous sommes avec Ousmane Jubo Nasser. C'est un observateur politique. Il est très branché politique. Ça va, Ousmane Oui, ça va. Bonjour, Rabi. Oui, je vais très bien. bien. bon. Ok. Abdou Gado, notre ami de la FADA, de l'Observatoire de la Jeunesse pour la Paix, eh, Rabi, bonjour, comment ah, vous allez Ça a été euh, mouvementé pour toi, hein, Abdou euh, Bon, <laughs> on n'a pas le choix, pas Voilà. Écoutons d'abord la réaction de quelques jeunes de la capitale au micro de Farida Maman avant de donner la parole à nos invités. Voilà, depuis un certain temps, nous suivons vraiment l'actualité politique du Niger. Nous constatons des agitations et des petites confusions à tour et à travers. Et, mais nous, de notre point de vue, nous pensons que vraiment le Niger ne mérite pas ce sort. Parce que depuis après les indépendances, tous les hommes politiques qui ont eu à diriger le pays, ou bien ils n'ont pas eu ce sentiment machiavéliste-là de brûler le pays. Et depuis après la conférence nationale souveraine, c'est ces mêmes hommes-là qui sont en train d'animer la scène politique nigérienne. Eh, eh, samedi kan waka imte fatten fatten beri pour que im dugine hawe inge ma yaddan dawa ay mi ba eh, inge borin kay kullu wore kan go jine da hayo Ici, c'est la démocratie. On dit que le Niger est un pays libre et démocratique. Donc, le pouvoir du peuple pour le peuple. Donc, si le peuple choisit une telle personne et que le peuple a l'impression que ce n'est pas la personne qu'il a choisie Eh? yau kan muna mun kai ma duk abin da muka nan gayi sai ku ga an zo an ce marshi za yi an hito an kone shago bawan Allah ya zo ya bude shago ne an zo an kone an zo an hiddu kaya wasu ma ba ma marshi ta suka taya ba wasu sunday da volayar wasu barai na an kuka di Usman haka fara magana to ka ji dai wannan matasan kai ya ne ka gani wai wannan zanga zangar da aka yi kai me ra'ayinka abu zakanta d'abord moi ce que je vois ici comme problème c'est n'est pas qu'un problème politique c'est d'abord un problème d'éducation. Euh, c'est-à-dire, quand je dis l'éducation, je parle de l'éducation en général. Euh, je ne parle pas que de l'éducation, de l'enseignement scolaire. Donc, vous savez, moi, il y a longtemps que j'attirais l'attention des gens sur un phénomène. C'est le phénomène des jeunes dans la rue. Aujourd'hui, à Niamey, quand on emprunte les, rues de Niamey, surtout euh, sur les carrefours, les grands carrefours de Niamey, le, le nombre de jeunes qu'on voit dans la rue, même pendant la nuit, qui dorment dans la rue, il est hallucinant. Donc c'est un phénomène sur lequel on a tiré la sonnette d'alarme depuis longtemps. Et on devait s'attendre à ce qu'on a vécu. Parce que vous savez, la plupart de ces jeunes qui sont sortis, ils ne connaissent rien de la politique. Vous les, vous les arrêtez, vous les posez des questions. Il y en a qui ne savaient même pas pourquoi ils étaient sortis. C'est des jeunes qui ne connaissent que la rue, qui, comme on, peut les appeler, c'est des casseurs, comme dans tous les pays du monde. Quand il y a les manifestations, c'est pourquoi les manifestations, souvent, euh, doivent, euh, euh, comment dirais-je, être encadrées. Donc il y a toujours des gens qui demandent l'autorisation pour porter la responsabilité. Parce qu'il y a toujours des infiltrations. Et les manifestations qu'on a connues, c'est vrai qu'on a dit qu'elles étaient spontanées. Moi, quand je regarde cette situation au Niger, je ne peux pas comme. J'étais scandalisé. Comment au Niger, un enfant de 13 ans ou de 14 ans peut intercepter un monsieur de 60 ans, 70 ans dans sa voiture ou sur sa moto pour le manque de respect, pour le violenter. Ça, ce n'est pas nigérien. Ouais. Ça ne fait pas partie de nos valeurs. Ça veut dire qu'on est ouais. On manque d'éducation. L'éducation est en train de devenir autre chose. Il faut qu'on trouve une solution. Responsabilité. Euh, de l'Observatoire des jeunes, de la jeunesse pour la paix. Il y a abin da ya faru me ra'ayinka kai akan shi rabi abinda muka saurara da zu mu duka mun saba muna ganin shi bisa eh, ga mikronku mhm, mhm. muna ce a yi hattara kai gaza zabe su kai mu fitina matasa ne suka huto matasa ne suka huto suka kira suka ce da allah su tai magabatan mu su tai su sasanta tsakaninsu kawon ga zabe su kai mu fitina ga fitina ba kuma ga abun da ya, ya faru sai da aka yi fitina bayan zaben nan don ni abun da ya bani mamaki kuma ya darme min kai shine zan gaya muku magabatanmu ba su son kasan nan ba zan can matasa ba ne magabatanmu ne paske inda sun eh, sasanta tsakaninsu taba yin zabe kasan ga na nawa ne wanga wanga zai kai mu fitina donc comment leur intention est dévoilée mun san abun da suke cikin kanuwansu su fitina ne suke nema que in kun diba lokacin da muka kiro an kiro seni an kiro cour constitutionnel ba bu wanda ba kiro ba a president de la république shine uban duka 'yan kasa hein? il pouvait mettre fin à tout ça là donc c'est pour dire que c'est pour dire que vraiment, la jeunesse a fait de son mieux. Parce que s'il il, de s'est agi des sensibilisations, s'il s'est agi de l'éducation civique et citoyenne, la jeunesse a fait de son mieux. Même au, moment des campagnes électorales, Mais maintenant, mun gani kuma mun yaba donc, nous allons nous engager en politique. Sun shiga politique, din. Sun shiga conseiller, député comme présidentiel. Donc vraiment c'est un problème. ça Avec tout ce qu'on a fait comme euh, campagne, élection apaisée et, tout, toi tu t'y attendais, fallait ça sort d'où autant de violence pour être très honnête, hmm. ce qui s'est passé n'a rien de surprenant et c'est prévisible. Ah oui Oui, c'était vraiment prévisible parce que nous avons organisé le processus électoral le plus injuste de notre histoire. Et vous avez constaté, il n'y a jamais eu des élections contestées dans la violence au Niger, si ce n'est pas cette fois-ci. Les jeunes Nigériens n'ont jamais eh, contesté violemment des élections. Mais là, il faudrait trouver où se situe la source du problème. Aujourd'hui, quoi qu'on le dise, quoi qu'on fasse, on peut chercher à régler la question de la violence. Mais est-ce que c'est pour de manière durable mhm. Nous avons organisé des élections, des élections les plus contestées, les plus contestées du point de vue du résultat, des résultats proclamés par la CENI. Il y a eu beaucoup plus de flagrance que même les jeunes qui sont en train d'observer ont compris réellement ce qui s'est passé. Yanzu wajenka jeune da suka hito mun gane su ne bisa kan terrain kuma yanzu gashi su ne suna contesté har da violence. Est à dire que siyasa ce suka fara ma suka fara ba karhi ko koreya ne aka ko dai kawai bige-bigen ne. Parce que shi yana nan gazancen ba irnu bane. Yanzu analyse kin jeune ta Qu'est-ce qui s'est passé? À ton avis? wannan contestation king. ga yadda an ka yi ta eh, abun ya huce eh, zancen siyasa saboda shi in a siyasance ne mm. shi in ce ban yarda ba bai kai in hito in yi buge-buge ba in yi hoshe-hoshe ni a matsayina na ɗan ƙasa mai son ƙasata akwai matakai da yawa da na iya ɗoka don in godi rashin yarda ta amma ba na hitowa ba in bige in hoshe abubuwan ƙasa wanda namu ne na mu duka don eh, wannan contestation kin da matata sun ka yi eh, bai kamata ya ga yadda sun ka yi ta ba eh, mu goyi bayan mutane ya kamata ne mu sha hankalin mutane contestation c'est permis ba iya in baka shi daɗi ba a hana maka kuka ko a hana maka ka yi reklamen incinka incin duk ɗan ƙasa ne ya yi in an kan ya yi espere ku an mishi rashin gaskiya ya yi conteste to kun to muna nan dai muna ci gaba da hira tare da wa'anda muka gayyato a nan shato ɗin ga mu nan zaune cikin jardin kin nyame nyala tsaba a zaune wa anan muke wannan hirar kan mu ci gaba da wannan shirin namu za mu leƙa mu shi kuma rubrikin dondi wannan gamin da wani artist ne ya hira et eh, on se retrouve juste après Amidou Lafada Nigérienne nigérien mes chers compatriotes, surtout Salafada, l'artiste s'exprime. Et une rubrique spéciale consacrée à l'artiste nigérien. Une émission conçue par le studio Kalango. Vous êtes sur tout Salafada, vous kiffez L'artiste s'exprime à travers nos 46 radios partenaires depuis Agadez, Difa, Dosso, Tawa, Tilaberi, Maradi, Niamey, Zender. Vous kiffez aussi cette émission à travers le site du studio Kalangu samedi et dimanche. Ladies and gentlemen, la machine et les humains vous souhaitent la bienvenue sur ce numéro. Un numéro qui va donc euh, recevoir dans quelques fractions de secondes un artiste nigérien qui fait de la très bonne musique. Il est kiffé à travers le monde. Il fait de la musique Mondial. Mondialement, donc, nous souhaitons la bienvenue à l'artiste Boubé Arda Gallo. Kala kala gumbe, kala kala gumbe, waka irmagano gumbe Niger, kala kala gumbe, waka irmagano gumbe Afrique, kala kala gumbe. ainetun kala kala gumbe kala kala gumbe dondi gumba kala kala gumbe eh.

Et... mais gars, Tout simplement. <laughs> Bouba Dagalo, eh, comment tu vois, La jeunesse nigérienne, déjà, ir Niger jeune est cool. Misal, gars, ego émission, oh bon, ego grugune, ego hanganirse. Alors, Bouba Dagalo, mais kate Bouba Dagalo. To, Bouba Dagalo. To. Son, qu'on de dans la musique, ça fait 15 ans de carrière. 15 ans de carrière eh, dans la eh. musique. Bouba Dagalo. mayo matkina na gihin manda tirai bon tirai bon oh. ay makti saidu fiyo abubakar saidu fiyo abubakar, alias bubar da galo to kai mina sani fo wangaro kure mission obo oh. deja no famandir se kan jiru chindu gunu ya kannana musico setin ifo no deni sautora sauto dai ni nisi hankan kan dai sautora oh zazan katarai ai wai view turno disk wata no wata oh disk disk bamba bamba tari oh oh ago irdu susu bay kuli gir doran dindanu balir ko kol ka dedi nir tunan di gelbi gaga musico music abora gaba music ani nga gina de ni ginga ganja music awundora yari <laughs> gato aksan to garan virus ofurno ah viyaga disco dagu wundir ni mo go hangan go alborani go gay fote fakan matkan de son kay tinga mola carne sen sintinga kokoba zafa haka imanda donc albora mo agogo musique ko tourné tourner mo go gane ni go gay fo préparer parce que antidote no ni go préparer ga dangaira <laughs> to ifo non sintinda bon et à, à part la musique je suis mécanicien de profession ta oh mécanique ko dene sintinda haleg mécanique chawono nta jina jina haleg furmiji kora donc il me récapituler oui bubar da galo jiro ya akan mi di kosetti buba de galo irdu amawe mission ngo irgi hinga mil mo du nan kan buba de gala din fonu yajin ga irgi famandi mo kan niger jeune idunu bon bere kaino fodu irga cer kubay dora engo bagban oh, gazo bagban acte en noya dinga acte en won wone franco ausa émission o bonna passé tout ça la fada rabi me kanon no ga émission o présenter son dora misali ga juma so hane irga yegi cer kubay pour ko rum kanté ne carrière artistique ton contenu sur l'émission nemeno machine o genene kal subanoya derni cer kubay eh arabu o sizape fa émission ban tout ça la fa eh, za mu dawowa fadar mu a yau hirar wannan zanga-zangar da aka yi kwanakin baya bayan an gayi sakamakon zaɓe zagaye na biyu na shugaban ƙasa matasa sun hito an yi bige-bige an yi kashe-kashe gaskiya abin ba daɗi to yanzu muna so mu san matasa wani hannu ne nasu suka sa cikin wannan zanga-zangar da aka yi kuma lahanin da wannan shigar tasu ta shawo ma mutane muna tare da isaka umaru kebero ils sont dans la citoyenneté, la sensibilisation des jeunes et tout. Ousmane Jibonasser, un mordu de la politique. <laughs> Nous sommes avec Abdou Gadou de l'Observatoire de la jeunesse pour la paix. Abdou Gadou certes, il y avait une certaine tension créée par certains propos lors des meetings sur les réseaux sociaux. Amma tun farin shagulgulan wannan zaben matasa sun taka rawa a zo a gani. To yanzu ku da kuke observatoire de la jeunesse pour la paix kana iya tuna kana iya gaya mana kamar hanyoyin da ya cancanta a ce wa'annan matasan sun bi ɗazu ya fara don su hito su yi contestation kin da ba wannan bige-bigen da wannan toye-toyen ba ko dan gobe. Donc, euh, merci pour la question, mm Arabi. Euh, en tout cas, dans la sous-région, hmm. je ne connais pas une jeunesse plus apaisée que celle du Niger. Je n'en connais pas, vraiment. Et le Niger, c'est un pays qui n'est pas habitué à des violences. Des violences soit préélectorales ou bien post-électorales. Le Niger n'en connaît pas ça. Vous comprenez Maintenant, il y a le strict minimum de droits qu'il faut accorder à un citoyen pour qu'il puisse faire recours à des voies légales pour réclamer son droit. Malheureusement, malheureusement, souvent nos autorités, nos dirigeants empêchent même les manifestations les plus pacifiques. Donc, c'est comme déjà l'a dit, tu ne peux pas frapper quelqu'un et l'empêcher de pleurer. Je vous dis, et avant ces élections, c'est cette jeunesse elle-même qui est descendue sur le terrain et demandé élection apaisée. Ouais. Élection apaisée. Je suis de ceux qui croient que si les tenants du pouvoir avaient fourni un peu d'effort pour dialoguer avec l'opposition, da wannan abun ba a yi shi ba da abun nan ba a yi shi ba to kun shi da abun da abdu gare ce isa umaru za ni zuwa gare ka yanzu parlons à présent des responsabilités une telle violence da matasa suka yi umfani da ita kai a ganin ka ina ne tushen wannan violence une telle violence utilisée par les jeunes eh, vous savez tout de suite mon ami Abdou vient de dire que la jeunesse nigérienne est la jeunesse la plus apaisée ouais. moi je vois que la violence faites lors de la contestation n'est rien comparable à l'injustice et au tort causé à la jeunesse nigérienne. Mais heureusement que la jeunesse nigérienne est consciente et pour avoir toujours, moi je l'ai dit, il ne faudrait pas qu'on se cache la vérité, il faudrait qu'on se dise toujours la vérité. Mais c'est vrai, il y a eu la destruction des biens publics et privés. Nous déplorons cela. Voyez, dans un pays ou dans le processus électoral, les jeunes, d'abord, qui sont 75% de l'électorat sortent avant les élections pour dire aux politiciens, attention, faites tout pour nous sortir des élections apaisées, des élections consensuelles. Mais vous avez vu, il y a eu un code électoral contesté. Le processus tout au long a été contesté par l'opposition. Il n'y a jamais eu de dialogue politique. Ça, c'est notre responsabilité en tant que responsable de pouvoir créer les conditions pour les amener à abandonner cette pratique. Mais on ne peut pas les amener à abandonner cette pratique si nous n'amenons pas les politiciens à gérer le processus électoral de manière juste et de manière transparente. Ousmane, Sur cette base, Sur cette base, un jeune, juste comme ça, un jeune, hein, un jeune lambda, un jeune qui a perverti les résultats. c'est ce bah, qui a perverti les résultats. Sur cette base, que Vous savez, hmm. et eh, moi je l'ai toujours dit, nous sommes des citoyens. Si nous demandons euh, euh, le droit eh, de nous exprimer, de contester les choses, eh, il faut qu'on sache aussi que nous avons des devoirs. Donc, mu eh, a matsayin mu na 'yan ƙasa mm. muna neman a bamu durwa na mu haɗi albarkacin bakin mu mm. yi wani jerin gwano mu yi wane to ya kamata mu san kuma muna da devoir shi devoir citoyen cikin devoir kinmu akwai le respect des institutions on peut ne pas être d'accord avec soit la composition ou le fonctionnement d'une institution mais le respect des institutions de la République s'impose à tous les citoyens donc la CENI qu'on soit d'accord ou non c'est le seul organe habilité à proclamer les résultats globaux provisoires. C'est pourquoi la CENI ne proclame pas des résultats définitifs. Là, il est du ressort de la Cour constitutionnelle d'examiner ces résultats et de proclamer ko akwai kurakurai cikin akwai kurakurai kici sai a gyara a tankaɗe a rairaye sai ta gai resulta eh, eh, wanda ya kamata shi haka nan ne normalement processus kin to shi duka wannan problem in comme je l'ai toujours dit harakal duka ta 'yan siyasa ce duka shi yasa da na fara ban kazancin siyasa na ce problem ke education saboda shi marshikin da aka gani na hari babu dan siyasa ma da ito yace mutane ku je ku yi march babu kawai abu ne mun ka gani de façon spontanée yara sun shiga c'est pourquoi j'ai dit ko c'est un problème d'éducation parce ouais. que là c'est un problème euh, je pense na yara da sun ka hito sun kai ta washe-washe babu wani dan siyasa da ya kira yara su je su irin wannan donc su 'yan siyasa da kuke gani duk abun da muke nan ga eh, yau muke nan ga vivan su sun ka kulla shi su duka kap saboda kur constitutional inda muke conteste ko seniki ai su wani constitution wani ma su ne shirke shiga cikin daki su sha shayi su yi shawara su hiddo muna abubuwa su suka tsara harkokin su su ne suke tsara shi kuma sai su kyara lokaci kamar gungu ne ake yau muna tare sai mu yi abun da ke gyara mu saboda mun samu iko mu ci eh, eh. ake cewa kan karamu ba babbaka <laughs> su ko an ta adawa ba su yarda ba gobe an ka sake kuma haka ne suke yi to yau in kun ka yi gyare-gyare kun ka hau iko kuna morewa gobe in wani matsala ya zo to ai kun sa abin da kun ka kulla ko ah. da ai wuri kaza ba mu yarda ba saboda ku kun shi kun sani to shine matasa bai kamata mu yarda da shi ba nous on doit faire table rase de tout ça là on va forcer ces politiciens ou on va nous-mêmes nous battre pour que on élabore des textes qui reflètent plus la réalité des textes qui sont plus justes parce que c'est ça le problème in ana contestin kur consul ko abu da yanda ake nada mutane da yanda ake abu tout ça là c'est ça le vrai problème il faut que mu samu yanda kurorin nan namu duka wannan les institution yanda za a aika mutane can da yanda za su yi aiki ya zamanto kowa zai yarda da haka nan saboda mu duka mun san ya ne wa ne ta can ya ne an kai kaza ya ne kurkin can eh to ya kamata a hidda siyasa ciki in dai an ka hidda siyasa cikin wannan institution to shine zai sa duk abin da sun ka gayi duk wani sakamai amma a haka kawai gayi ne muke dole mu yarda abin da sun ka ce Parce que nous sommes légalistes, on doit être légaliste, on doit respecter la loi. Le véritable problème, ce de changer l'architecture de nos institutions. Wallahi Ousmane ka ana shuraran ka. Cha za ay yi mu dai siyasa wannan ta Nijar matasa ofet analysis ya kamata mu kai hema mun koma mun yi karatun ta. Mu dan shakata kadan basta kan wannan shirin namu vu comment les esprits se chauffent déjà là. Voilà, on va parler de paix. Un collectif de d'artistes nigériens enchantés pour la paix. On se retrouve juste après. Vis-à-vis -vis du maître de la terre et des cieux, la différence de religion importe alors peu si nous adorons tous le seul et même Dieu. se دیشب irmatun gate afo Nijero izei irmatun gabacere Nijer damuce kanuari kalalace Nijer damuce kanuari katoma baya Dan kasa dole ne yayi maka sai shi fata guda to mun kwanciyar hankali Je te reconnais pas, mon frère nigérien. Oh oh oh oh oh oh oh. Mettre sur le fais une solution qui ne change rien. Oh oh oh oh oh oh oh. Agissons comme on a hérité. Militons dans une fin faite et unité. J'ai il me tourne gâté à fond. Niger no isei il mutun gâté à fond. Jesus. que chacun de nous se fasse une pour allumer la de la paix. Retour à la FADA, aujourd'hui installé au cœur du centre-ville de Niamey. Nous sommes euh, au château 1, à jardin du château 1 abun ba daɗi an rasa rayuka an toye gidaje an toye motoci su matasa kamata da a ce sun yi irin zanga-zanga ce kamata a ce sun da su nuna da observatoire de la jeunesse pour la paix de Isako umaru na kebero tambayar mu ta ƙarshe cikin wannan Abdou, de l'Observatoire de la jeunesse pour la paix, quelle leçon faut-il tirer de cet incident je, je, veux revenir un peu sur ce qu'avait dit euh, Isaka, mm -hmm. moi je pense que euh, ya faru ka a sake eh, cikin Muna da wani kira wajen magabatanmu. Mm -hmm. Suko su bar mutane su yi reklame durwacinsu kaman yadda kundin sari ya tsatsanta a neme su. An ba dama a yi manifeste pacific kama. A bar mutane su yi manifeste pacific kama. in mutum yana da wani reclamation ko revendication ya yi shi bisa hanyar da ya sasanta bisa hanyar ka'ida haka ake so ba ba a ce ma mutum baka nema inkinka bisa hanyar ka'ida mm. kuma a ce no baka huta ka yi zanga-zanga mm. wannan ba mu son shi ba mu son zanga-zanga mu wajenmu responsabilite inda muka sata wajen magabatanmu ne mhm. magabatanmu su bar mutane su yi manifestation pacific in sun yi manifestation pacific cinsu dole za su koma gida an turvu politician ku tai ku sasanta parce que mu wajenmu problem kinmu ba problem politique ne notre jeunesse n'a pas un problème politique matasanmu bai da wannan a siyasance ma ils sont les plus éduqués gaskiya donc ga da aka yi ba wani politician ya huto yake ku huto yara kuma an gani yara ne suka huto abinda suka yi an gani don a bar mutane su nemi inkinsu bisa ka'ida to usman zan zo gare ka quelle leçon faut-il tirer de ce fâcheux incident Okay, su dai masu mai mm c'est les premiers responsables ouais. responsable comme je l'ai dit de l'éducation de, tous les nigérians parce que abunda mun ka gani comme je l'ai dit il y a d'abord un problème d'éducation c'est vrai manifestation da muka ce da an ka fara shi yara ne bisa hanya sun ka hito sun ka yi hwashe-hwashe kashe shi ne ba mu yarda da shi ba shi gwamnati ya kamata ta lura da wannan c'est vrai après ya yi de tentative na wani eh, récupération pourquoi parce que mutane suna da soif na liberté d'expression ah, in mutane suna son su hita parce que shi eh, manifestation akwai hmm. responsable kullum mutane ne suke tambaya su demand su ce muna son mu yi jerin gwano saboda kaza kaza kuma za mu yi shi kaza za mu bi titi kaza rana kaza a lokaci kaza kuma zan ce ni ne wane da wane da wane mu ne shugabanci abu kenan in ma mutanen sun ka hita in an kai wani aikin a sha an san ko su wane ne shugabanni kenan wannan a senivo babu matsala ya kamata gwamnati ta rinka sassabta ma mutane su rinka hitawa suna jerin su saboda mm-hmm. rishin wannan shi ke kawo taron violence que an kure mutane ya kamata mu duka mu Et ça duka Niger rapidement, on est à la fin de l'émission. Quelle eh, leçon faut-il tirer Je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment des actes qu'il faut condamner, qu'il ne faut jamais supporter. Et comme je l'ai dit aussi, il faudrait chercher le nœud du problème et pouvoir régler ça de manière définitive. Mais vouloir euh, sensibiliser les jeunes, en même temps, ceux qui sont sensibilisés, les jeunes sont en train de faire du faux ne peut jamais nous amener à régler ce problème. Parce qu'il y a ceux qui sont là, qui sont censés faire appliquer la loi. Ceux qui sont là, qui sont censés donner le bon exemple. Aujourd'hui, nos dirigeants que nous avons sont nos repères. Ils doivent servir d'exemple pour nous. Mais si nos dirigeants là font du faux, si nos dirigeants là manquent du respect au peuple, mais comment est-ce que les enfants, la jeunesse peut avoir du respect à l'égard du pays Donc, nous, nous estimons que la leçon tirée, il faudrait d'abord qu'il faut prôner la bonne gouvernance. Parce que tout est parti de là. Le véritable fléau, c'est ce chômage des jeunes. Il a parlé des enfants qui sont dans la rue. C'est un problème, un manque d'éducation. L'école publique ne marche pas. responsabilité Amis auditeurs et auditrices du studio Kalangou, bonsoir et merci pour votre fidélité. Ce soir, dans la chronique, nous irons un peu loin des réseaux sociaux, même si ces derniers sont l'ADN de notre chronique. Nous allons voir de près la différence qui existe entre un juriste et un avocat. Si tout avocat est juriste, tout juriste ne possède pas nécessairement le diplôme d'avocat. Eh bien, au-delà du titre, quelles sont les principales similitudes et différences entre les deux options Telle est la question que je me suis moi-même posée durant cette semaine. D'abord, le juriste est défini en termes simples comme étant une personne qui a de grandes connaissances juridiques, un auteur d'études juridiques. Selon infodroit.com, le juriste est réputé être quelqu'un qui développe le droit. Le juriste est aussi une personne qui étudie le droit. Bref, le juriste est un professionnel en face d'exercer ou exerçant un des métiers du droit. Eh bien, le juriste, il analyse, commente le droit. Il travaille pour des entreprises, des particuliers, afin que ces derniers ne tombent pas sous les pièges de la loi. Eh bien, amis auditeurs et auditrices, vous vous demanderez, et l'avocat l'avocat a pour charge de défendre un client. Ses principales fonctions sont le conseil, la négociation, la rédaction de notes juridiques, l'audit, la défense, la plaidoirie devant les tribunaux et les cours. Il est indépendant. Et bien étant indépendant, l'avocat a des clients de tout horizon concernés par sa spécialité. C'est ainsi qu'on a des avocats spécialisés dans le droit des affaires, certains dans la cybercriminalité. Eh bien, l'avocat doit développer sa clientèle et veiller à ne pas se mettre en situation de conflit d'intérêts. Selon Delphine Bordier, directeur juridique au village de la justice, pour réussir sa mission, l'avocat indépendant doit faire face à des frustrations telles l'hyperspécialisation, l'absence de contact avec les clients, lorsque l'on est junior. Le manque de temps pour développer sa propre clientèle. Nous pouvons ainsi conclure que le juriste est un théoricien du droit et l'avocat, quant à lui, est un praticien. À demain pour une nouvelle chronique dans laquelle nous allons aborder, nous allons nous poser la question suivante. Un avocat peut devenir juriste Quelles sont les compétences essentielles de ces deux auxiliaires de justice Rendez-vous demain dans la chronique pour plus de réponses. Bye bye. Merci bien Olivier, merci pour tes chroniques toujours aussi édifiantes. C'est la fin de tout ça la fada. Nous étions avec euh, Ousmane Jubo, Isaac Abdou Gado, Aujourd'hui, il était question des violences post-électorales, le rôle et l'impact de l'implication des jeunes dans ces troubles. Munganoda, dama wa'annan wani magana sun ka a kure mutane a bar mutane su hito su gayi albarkacin bakin su Allah ya kara ba mu kwanciyar hankali fatar da muke bisa kan shirin tusa lafada sai mun kara haɗuwa bisa kan wannan shirin namu a huta lahiya